Ah, alors, on a écouté la chanson, on a adoré. C'est ta première tube ou c'est quoi Ouais, c'est ma première tube. <laughs> Ah, ouais Moi je son après ma 15 millions. ah. oui non! ça c'est une non oui non! ma oui dig dund gis dafa def son def ci dix millions. très bien naaw la def dix millions naaw boobu <laughs> naa war na def ay douze millions. man damay naaw incha allah quinze millions lañ ci def clip bi temps yëpp ñu ngi. tournage clip bi def nañ ci ay eh, mois. Fallou essayé vidéo day génnee son xale bi xale yi bëgg oh. maa leen ko wax. son bi xale bi xale yi bëgg man boo xoolee mu xam xale yi bëgg. clip bi quinze millions laa ci def. quinze millions ok. barke eh. 15 millions. de euh, la parce que. Uh-huh. non va? 15 millions clip 15 millions. Ah, def Sénégal. Ben def clip 15 millions. c'est quelque chose à magnifier mesdames messieurs standing ovation. Falou, le premier artiste youtubeur comédien. qui a investi plus de 15 millions dans une vidéo qui